<laughs> Alors Frédéric, je te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Merci, Dis-moi un petit peu de la force. Tout va bien. On va d'abord, dans le premier temps, là, parler de toi pour permettre à la jeunesse nigérienne qui euh, suit cette émission à travers nos différentes radios partenaires de savoir qui est véritablement l'artiste. Ici, c'est, on va tout voir et tout savoir sur Frédéric Péchaud. Alors, Frédéric Péchaud, parle-moi de ta personne. Frédéric Péchaud, parle-moi de toi. Euh, écoute, euh, Frédéric Péchaud, c'est un Nigérien qui est né et grandi ici au Niger. Mhm. Donc, euh, naturellement, comme tous les gars de la première génération, dans les années 80-90, mhm. donc, euh, venu un mouvement, en fait, on avait soif à l'époque bah, de, <laughs> de, dire ce qui n'allait pas. Voilà. Après, il y a eu la démocratie qui était venue aussi. Bien sûr, Donc, on était tout jeunes, on était à l'école. Mais euh, les parents et les grands frères, ça n'allait pas. Bien sûr. Il fallait donc, donc euh, dénoncer un certain nombre de choses. C'est ça. Et très tôt, en fait, on a été mordu par, par ce rap. Le, virus du rap, <laughs> qui coule dans tes veines et quand tu rappes, on le sent. Et à l'époque, c'était nouveau. Même avec les parents, c'était difficile parce que ils voyaient des images de l'extérieur, des États-Unis, de la France. Voilà, et puis euh, c'était plus ou moins pour eux des délinquants. Tout simplement. Donc, il a fallu en fait qu'on s'impose là-dedans pour qu'ils comprennent que c'est une voix, que c'est un moyen d'expression. voix voix Et que c'est une identité pour le pays. Tout à fait. Et dire aussi très haut ce que beaucoup disent tout bas. C'est ça. Quand j'ai parcouru le texte de Alma Mikoy, qui parlait de toi. J'ai aussi quelque part compris qu'il a dit à un moment donné de l'histoire, tu as quitté le mouvement hip-hop pour te rendre au Ghana pour tes études. Est-ce qu'on peut parler de ces études Qu'est-ce que tu as fait comme études au Ghana Voilà, après le rap, en fait, euh, je suis euh, parti au Ghana pour les études. Les études, qu'est-ce que ça Parlons de tout, on veut savoir qui est Fredo, hein, bien sûr. Donc j'ai fait l'ingénierie en informatique. Informatique. Parallèlement, j'ai fait le multimédia, l'audiovisuel. Tout à fait. Et c'est justement de cela qu'on va aussi parler. Parlons de la réalisation. Pourquoi tu as opté pour la production J'ai opté en fait pour la production parce que en fait mm. du rap, je voulais rester dans le rap. Ok. Maintenant, le seul moyen pour moi après mes études de d'aider parce que je voulais même si je ne suis pas devant le micro, je ne suis plus devant le micro, j'avais envie d'aider les frères. Tout à fait. Donc c'est m'a amené à la réalisation où j'ai commencé à réaliser des clips vidéo. Voilà, j'en ai fait pas mal. Ok. Voilà un peu euh, ce qui m'a amené, en tout cas de la réalisation, à émerger, à aller plus loin. tu Bien sûr, tu as donné la possibilité à des hommes, euh, n'est-ce pas, des acteurs culturels de s'exprimer, entre autres à l'IBC et tout ce qui va avec. On va découvrir euh, ce film très très bientôt parce qu'il y aura une projection au CCFN. Parlons de ce film. Ça parle de quoi Ça traite de quoi euh, Wall, c'est le nom de, de, ce film. Ok. Et Lil Wall, ça veut dire drapeau en Charma. On va parler de ça dans un deuxième Je sais que tu as été à un moment donné animateur, mais tu es chez moi, quoi. C'est moi qui cuisine. Tu te rappelles, tu, m'as cuisiné dans mon plateau quand tu me tendais le micro en tant qu'animateur et en posant des questions. Mais là, tu vas te taire. Hein. C'est moi qui donne euh, la possibilité <laughs> si euh, tu dois parler ou pas. Ouais. On est d'accord Ça marche. <laughs> Il dit ça marche. C'est un grand plaisir pour moi en tout cas d'être avec toi. Hein. Plaisir de partager. Franchement, parce que je sais déjà qui tu es. Moi, j'ai regardé ta... j'étais regardé en carré solo. Je sais ce que tu vaux. Je connais tes flots. Euh, j'ai juste perdu un rappeur, donc du coup, ça m'a fait un peu mal. Mais c'est pas grave. Le fait que tu es toujours dans le game, tu es toujours dans le mouvement j'aime bien que tu es aussi présent. Fred Peugeot, nous sommes à la fin pratiquement de cette première partie consacrée à la jeunesse nigérienne parce que ce tangle traite de toi. Est-ce que tu as des projets Est-ce que tu as un message Donc, à partir de cet instant, l'artiste s'exprime. Frédéric Peugeot, une minute de temps d'antenne. Tu peux donc t'adresser à l'endroit de tous ceux qui sont scotchés, les jeunes, les artistes, parce que c'est ensemble que nous pouvons déplacer les montagnes. Ben, je pense que, euh, de façon résumée, le projet en fait que j'ai, c'est un film que j'ai réalisé qui trace l'historique du hip-hop nigérien. Où est-ce que ça a commencé Quand est-ce que ça a commencé Comment est-ce que ça a commencé Et quelle a été l'évolution Le hip-hop a eu des moments forts, très forts même. Le Niger a été l'un des premiers pays rappeurs. Avec le Sénégal, on était derrière le Sénégal. Et tout ça, ça a apporté des valeurs, ça a apporté une force. Et cette force, on l'a toujours. Voilà. Mais aujourd'hui, euh, il y a des petites euh, séquences où euh, notre rap, on aimerait en fait qu'il soit encore plus à l'international. On aimerait structurer ce rap. Et tout ça, en fait, on a essayé à travers un film de faire parler les acteurs culturels du hip-hop nigérien, dont Dondi aussi, dont le défunt Fanflex, paix à son âme, défunt Momo aussi, paix à son âme. Donc, c'est dans un film vraiment, vous allez découvrir tous les premiers groupes de rap nigériens. Ainsi parle Frédéric Péchaud. Tu as aimé Jorodi, tu as connu Jorodi, Waswong, Kaidan la On va continuer ce que nous avons commencé de l'angle 2. Arrête au niveau de la Kalkanay et c'est partant de là que tu vas continuer ce que tu as commencé aujourd'hui samedi. Ça marche. On prend congé de vous, mesdames et messieurs. Ladies and Gentlemen, c'était la machine, c'était Frédéric Péchaud, c'était les humains, les jeunes de l'autre côté. Nous prenons congé de vous